avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de remercier euh, de garder ce ministre de la Justice, le professeur Ismaël Fall, d'avoir bien voulu présider la cérémonie d'ouverture de ce symposium de réflexion sur l'environnement numérique et la protection de l'enfant. De remercier également tout son staff euh, administratif, mais également son staff de communication euh, qui a bien pris l'événement en main et qui nous a euh, fait en sorte effectivement que nous avons pu bénéficier d'une belle cérémonie d'ouverture. Euh, euh, la raison d'être de cette thématique euh, du droit de l'enfant dans l'environnement numérique est que c'est une thématique qui a été communiquée par le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, qui est l'organe de traité chargé de la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et comme chaque année, cet organe de traité définit une thématique pour célébrer la journée de l'enfant africain. Et cette année, c'est donc l'environnement numérique en conformité avec les droits de l'enfant qui, qui a été défini comme thématique. Et c'est une thématique extrêmement pertinente qui, comme l'a souligné tout à l'heure le garde des Sceaux, ministre de la Justice, euh, euh, met en exergue à la fois euh, les, avantages, mais également les inconvénients de, de l'Internet et de l'environnement numérique dans la protection de l'enfant. Comme avantage, il a pu citer bien entendu l'avantage social, éducatif, pédagogique, euh, communicationnel qu'on peut tirer de l'environnement numérique, mais également, euh, euh, comme inconvénient, il a pu également mettre en exergue à la fois la cybercriminalité, la pédopornographie et d'autres inconvénients qui peuvent toucher les enfants. Voilà, comme vous le savez, le Sénégal est l'un des pays signataires de la Convention de, de, Budapest, donc sur la protection de la cybercriminalité. Mais également, le Sénégal est l'un des rares pays à avoir euh, signé la convention de Malabo, qui est une convention panafricaine sur euh, donc, la protection euh, en matière de cybercriminalité. également sur le dispositif interne, le Sénégal dispose d'une stratégie nationale de protection des enfants en ligne et le Sénégal également est l'un des rares pays africains à avoir mis en place un portail de signalement numérique des abus d'enfants. Et donc le Sénégal également dispose d'institutions euh, de lutte contre la euh, cybercriminalité et la pédopornographie, en l'occurrence euh, au niveau de la police et au niveau de la gendarmerie. Et nous avons également une institution dédiée, la CDP, la Commission nationale des données personnelles, qui protège les droits humains en général dans l'environnement numérique. Donc le Sénégal a assez d'outils vraiment pour à la fois encadrer l'usage du numérique dans le bon sens, mais également réprimer tout usage excessif du numérique, aussi bien dans le domaine des adultes que dans le domaine des enfants. Et pour la limitation maintenant de l'accès au numérique, effectivement, euh, on ne peut pas parler de limitation dans le bon sens où effectivement l'usage du numérique est un droit humain, est un droit, personnel, et chaque personne a droit à l'information, à la communication, etc. Mais si nous constatons effectivement que dans l'exercice de ce droit, il y a des abus, effectivement, il y a des instances dédiées comme que je viens de d'énumérer et qui pourront effectivement céder. Les, défis sont, tout simplement euh, euh, l'éducation des enfants, donc à l'usage du numérique, puisque le numérique est un outil euh, euh, qu'il ne faut pas euh, mettre à la porte déjà de n'importe quel enfant, à n'importe quel âge. Mais également, lorsque l'enfant a accès au numérique, il est important que les institutions, mais également les parents, les communautés et les familles les encadrent et les éduquent par rapport à cet outil qui peut à la fois être bénéfique et être néfaste. Donc c'est un problème d'éducation, d'encadrement pour que l'enfant qui utilise un appareil numérique sache effectivement qu'il peut en tirer un bon profit en allant bien entendu dans le bon sens et qui lui est interdit euh, d'aller dans certains sites, dans certains euh, domaines, effectivement, qui peuvent lui porter préjudice sans qu'il s'en rende compte. Alors, euh, les manifestations qui sont passées, et je ne m'y éteindrai pas outre, mesure, ce que je peux donner comme information, c'est que nous, au niveau de la direction de la protection judiciaire et sociale, lorsque ces événements ont éclaté, nous avons mis un dispositif de protection des enfants à, travers les services de l'action éducative et la protection sociale en milieu ouvert, les AEMO. Nous avons demandé à tous les AEMO, pas e parce que nous avons des AMO e dans, les, euh, dans toutes les régions et les départements du Sénégal. Et chaque AMO e a reçu comme instruction euh, de se rapprocher euh, des, forces de défense et de sécurité, donc de la, de la, police, de la gendarmerie, de se rapprocher également des structures sanitaires, de se rapprocher également des parquets pour encadrer l'audition des enfants au niveau de la gendarmerie et de la police pour les enfants arrêtés, se préoccuper des nombres d'enfants blessés ou tués euh, euh, dans les structures sanitaires, si j'en et bien entendu euh, se rapprocher des parquets, à savoir des procureurs, pour demander donc l'élargissement de ces enfants-là. Et donc nous avons pu, sur le plan national, établir un état national. Nous avons l'état du nombre d'enfants qui ont été arrêtés, déférés devant les parquets. Et sur ça, je, je peux vous dire que 98% des enfants arrêtés ont tous été libérés. Voilà, donc euh, grâce à l'entretien de mon service. À ma connaissance, euh, nous n'avons pas eu euh, d'informations d'enfants utilisés comme boucliers par les forces de sécurité. Donc nous, nous, sommes préoccupés tout simplement de, la protection des droits des enfants qui ont été appréhendés durant, durant, ces événements-là. Et comme l'indique la mission de notre service, nous avons mis tous les moyens pour effectivement obtenir la libération au niveau des parquets et euh, ces moyens ont été couronnés de, de, succès. Donc, euh, euh, si, si, si euh, comment c'est donc vraiment dit euh, monsieur le professeur Ismaël Major Fall, garde sur le ministre de la Justice. donc, bien ramené vraiment, nous euh, Jotom Yomboul, Mounio, présidé sur une cérémonie d'ouverture. Vraiment, wax fi wax bu rafet euh, j'ai ko aussi si si xalé yi di gërëm également staffam euh, donc euh, également staff communication bi nga xamné vraiment ñoo def lepp li nga xamné cérémonie bi vraiment ça a répondu à toutes nos attentes légui thématique droit de l'enfant sur environnement numérique bi thème la bo xamné donc comité africain manam dafa am au niveau de l'Union africaine ben comité bo xamné ne ñi ko composé moy ñi nga xamné ne seen xel match na si droit xalé ñoom chaque année dañuy identifier benn euh, waxtaan boo xam ne moom lañu jëmale xale yi pour célébrer le 16 juin ren nag euh, euh, li li li la li sabab pour ñu waxtaan si mooy ak ak yelleefu xale si si si xarala yu bees voilà loolu moo tax ñu def symposium bi woo ñi nga xam ne seen xel màcc na si pour que ñoom tamit ñu gëstu si gëstu si par rapport à seen seen seen xam-xam si numérique bi mais également gëstu si ak seen xam-xam si droit de l'enfant

Le euh, Sénégal a une ay institutions qui euh, euh, loolu Sénégal déjà adhéré na la convention de Budapest la convention de Malabo yi nga xam ne euh, euh, droit cybercriminalité en dans le monde et en Afrique également Sénégal a une école de cybercriminalité une unité spéciale de cybercriminalité yoo police police la gendarmerie voilà y des experts y également CDP la commission des données personnelles yi nga xamné ñom ñoy donc euh, à tel point que les euh, lo xamné ne comme luy safane bi Sénégal amna ay moyens comme mën jubanti voilà euh, défi déjà comme que réseaux sociaux yi si mucc ah, donc ñu yar si des comme ni leen yare si yeneen euh, euh, si yeneen moyen de communication donc euh, am na âge boo xam ne effectivement xale warul yore warul dugg si réseaux sociaux mais bu si commencé dugg jar na famille bi communauté bi école bi institution yi yar ko jàngal ko nu ñuy utiliser réseaux sociaux yi won ko limu fi mu wara dem ak fi nga xam ci xénañ ko fi mu dem parce que même si aduna am na foo xam ne xale na fa dem ñu autoriser ko am na foo xam tamit parents dañ ko koy téré donc c'est la même chose dans les réseaux sociaux euh, nous avons à tel point que nous savons des filles dans leen ko les filles autorisées. Ces leen. La si manifestation nous ñun dañoo def suñu euh, tel que euh, ministre de la justice nous l'a président de la république Maintenant, nous avons ay d'intervention, d'intervention intervention action éducative en milieu ouvert manifestations manifestation nous avons une instruction Nous AEMO bu nekk ak gox police une gendarmerie les hôpital da ngay dem également fi procureur nekk fi nga xam ne foofu la ñu jébal xale yi bu leen jàppee saytu xale yi taxawu leen ci seen audition taxawu leen bu fekkee dañ leen di bàyyi taxawu leen bu fekkee dañ leen di yóbbu parquet déféré leen te bu leen yóbbu parquet déféré leen également ñu dem ci procureur ñaan ñu bàyyi leen te loolu buñ ko defee ñun am nañu état national boo xam ne jébal nañu ko autorité bi du ko du wax fii mais 98 euh, euh, pour cent au moins xale yi nga xam ne téye na leen si manifestation yi bàyyi na leen donc loolu vraiment succès bu mag la boo xam ne euh, donc ñu ngi koy gërëm service AEMO yi nga xam ne ñoo si taxaw